la euh, secrétaire général convention universelle du Baol. Euh, dit Rafet Lou. tout d'abord euh, teewaayu kilifa yu tedd yi fi et également ministre au niveau étatique qui sont là le ministre dipa qui est le ministre des Finances et du Budget qui a été représenté par son secrétaire général dit remercie également le, ministre de l'Éducation nationale Girassi, nga xam ne bàyyi na lépp ñëw pour journée bi. lan mooy secret bi ba a defal. exactement ba mais boy ñu doon xayma dañuy wax né euh, depuis 2022. mille vingt deux ba tay euh, ci ngone gi ni rek euh, am nañu plus de 1000 bacheliers ya nga xamné ne convention bi récompense né ko déjà donc loolu réalisation bu maga mag la ba nga xamné day contribuer ci développement euh, développement économique et social plus tard parce que si les gens sont bien formés li ciy tegu mooy dinañ mën a liggéey dañu mën a am expérience pour mën a dem liggéey pour mën a teddal seen waajur jàppale Bawol parce que problème yi bari na trop mbënd maa ngi fii ndox problème mu ndox maa ngi fii ci yeneen aussi euh, problème yu bari dans le transport dans le domaine de l'énergie donc l'idée c'est que il faut qu'on ait une masse critique

Donc, je pense que plus de, plus de 200 millions, 300 millions qui ont euh, été débloqués. mais les gens am solo mooy convention bi ñu ngi liggéey te continuer di liggéey ak murid professionnel ñi nga débloqués. ne ñoo nekk fii li a à partir d'aujourd'hui convention bi euh, primé plus de 1000 bacheliers Et c'est important je pense que c'est le message Merci. merci c'est tout simplement pour le ministre de l'éducation que je suis euh, au nom du chef de l'État, du chef du gouvernement et du gouvernement tout entier, c'est de magnifier la célébration du savoir, euh, la célébration de l'excellence. Et lorsque le gouvernement parle de société éducative, là c'est vraiment la manifestation, euh, l'opérationnalisation de ce concept de société éducative. Nous voilà avec les guides religieux, avec les guides spirituels, nous voilà avec euh, les euh, ndeyu nous voilà avec les enfants avec les acteurs avec l'administration avec euh, l'IA l'IF, le gouverneur toute l'administration territoriale pour justement célébrer donc nos enfants et c'est magnifique c'est comme ça qu'on peut mettre au cœur des préoccupations et des enjeux le savoir et l'excellence et euh, dans une contrée qui est celle de Ahmadou Bamba Khadim Rasoul, euh, qui rime avec excellence dans tout ce qu'il fait, euh, qui rime avec effort, qui rime avec euh, élégance, qui rime avec endurance et qui rime avec responsabilité, je pense que de telles pratiques euh, ne font que perpétuer, euh, donner écho en fait à ces enseignements. Et c'était le lieu pour moi, au nom de la, du, chef de l'État et du chef du gouvernement, de dire à ces enfants que nous comptons sur eux, de dire à ces enfants que le pays compte sur eux. L'avenir et le futur du Baol, c'est nécessairement, on n'a pas le choix, ce sont ces enfants. Et lorsque le regard va au-delà de ses enfants, on se trompe. Et malheureusement, très souvent, on est dans la précipitation, dans l'empressement, dans la recherche de buzz et dans la recherche euh, de l'éphémère. Mais tous les pays qui ont réussi à se transformer, à se hisser au devant de la scène, ils se sont appuyés sur l'enfant, sur l'enfant et sur l'enfant. Et je pense que les écrits, les enseignements de Cheikh Al-Khadim portent essentiellement sur ça quand il dit que euh, enseigner donc à un, certain âge, euh, c'est écrire donc euh, sur l'océan ou sur l'eau de mer, et alors que enseigner et mettre l'accent sur l'enfant, c'est écrire, en fait, c'est graver sur le, rocher. Cela veut dire en fait que c'est le socle le plus important et il s'agissait aujourd'hui. Monsieur le ministre, nous sommes obligés d'aborder la rentrée scolaire. Nous sommes à quelques pas de la rentrée. Qu'est-ce qu'on pourrait donner des dispositions que votre ministère a prises afin de faciliter une bonne rentrée scolaire. J'ai dû euh, justement euh, euh, m'absenter d'une partie de, du séminaire de rentrée qui, avait lieu à Dakar et en ce moment qui a même lieu, donc hier et aujourd'hui, pour venir justement prendre part aussi à la convention du Baou. Donc c'était le lieu hier de discuter de faire le bilan de 2023-2024, mais de nous projeter aussi euh, sur 2024-2025. Et l'orientation majeure, c'est que 2024-2025 mettra l'accent sur l'élève. L'élève sera au centre, au centre, au centre de euh, l'école, euh, nous parlons souvent de gouvernement scolaire, mais cette fois-ci, on ira un peu plus loin. C'est que ces élèves, en association ou en club ou en gouvernement scolaire, seront en fait le lieu euh, euh, où, au niveau central, on s'appuiera pour mesurer la performance des IA, des IF et de l'enseignement. Donc c'est à partir du comportement et du fonctionnement des élèves et des clubs qu'on verra en réalité s'ils ont su euh, absorber en fait les valeurs que nous voulons euh, qu'il euh, absorbe, ces valeurs de citoyenneté, de civisme. Le problème de l'éducation, encore une fois, c'est essentiellement un problème de comportement. et, le comportement, il est essentiel. La discipline, elle est fondamentale. L'endurance, elle est fondamentale le, sens du don de soi, il est fondamental. Un pays, aucun pays, aucune famille, aucune organisation ne peut se développer sans justement ce côté-là très humaniste et très humain. Et très souvent, malheureusement, nos écoles ont plus mis l'accent sur tout ce qui est instruction, nos rapports aux mathématiques, nos rapports à la dictée, à la grammaire, en oubliant de côté donc ce qui est le plus important. Et je suis très heureux de le prononcer ici. De Sintouba, il a mis l'accent sur le orme ormal d'homme Adam et, et, ça c'est un volet fondamental il faut recentrer la chose sur l'humain les japonais les asiatiques regardez ce qui se passe le rapport au travail le rapport à la discipline le rapport à l'hygiène mais, mais c'est tout simplement merveilleux leur façon de saluer Aujourd'hui, à Touba, on, on, baise la main, donc quand on salue. Ça veut dire quoi C'est une particularité. C'est simplement l'humain qui est placé à un niveau qui est extraordinaire. Et cette philosophie-là, si nos enfants l'ont, mais ils excellent dans tout. Et quand vous avez la politesse légale, comme le disait Touba, mais vous excellez partout. Vous allez en Chine, vous êtes un modèle. Vous allez en Asie, vous êtes un modèle. Vous allez aux États-Unis, vous êtes un modèle. Et aujourd'hui, il faut que l'école renoue avec cela. Et donc, c'est l'orientation majeure qui a été donnée. Naturellement, tout ce qui est intelligence artificielle, euh, numérique, euh, ce sont des piliers extrêmement importants. L'alphabétisation, nous sommes en train de vivre le mois national de l'alphabétisation. Et, le chef de l'État en a fait un mois, donc euh, au lieu d'un jour, au lieu d'une semaine. Ça veut dire que ces savoirs, ces connaissances ne pourront pas être portés sans justement l'instrument de nos langues nationales. Regardez encore une fois, c'est une Thomas qu'il a fait avec Seigneur Moussaka, euh, la, portée, l'utilisation donc la langue nationale pour rapidement faire passer donc les messages forts donc de Saint-Touba. Et, la vitesse de transformation de ces communautés-là, elle, a eu, elle a pu être réalisée parce que justement la langue nationale a été portée. Et Saint-Touba a privilégié cela. Et donc sans complexe, un Moussaka, il aurait pu s'évertuer en arabe, etc. Mais l'effort et la production de connaissances, c'était plutôt donc dans nos langues nationales. Et vous avez vu l'impact que cela a donné. Alors, Monsieur le ministre, une dernière question. L'introduction de l'anglais de l'élémentaire, le défi de votre ministère. Quel est le processus et l'intégration euh, de, cette euh, rentrée scolaire Oui, il faut qu'on se batte. Euh, nous ne sommes pas des Français. la langue française, ben, c'est une langue avec laquelle on fonctionne, c'est une langue officielle. C'est très bien et ça nous enrichit et nous sommes très contents. Mais aujourd'hui, le monde euh, l'anglais est parlé partout dans le monde. Et je pense que même nos amis, donc la France, aujourd'hui les enfants sont en train d'apprendre l'anglais. Je pense que ne faut pas priver nos enfants de, cette opportunité dès le préscolaire d'apprendre l'anglais et d'être complètement bilingue. Donc aujourd'hui, le défi, c'est d'introduire l'anglais au niveau du préscolaire, de l'introduire aussi euh, euh, au niveau élémentaire CM1 e, et puis progressivement aller vers un bilinguisme. Donc aujourd'hui, c'est le bilinguisme, je dirais même le plurilinguisme. Il faut les langues nationales, il faut l'anglais, il faut le français, mais, mais, c'est comme ça que nous allons être de grands citoyens du monde. Et l'enfant euh, a un cerveau qui est magnifique. Euh, à bas âge, si vous, si vous lui permettez donc d'en recevoir, d'apprendre plusieurs langues, d'apprendre plusieurs disciplines, l'enfant il retient. À ce moment-là, le cerveau il est prêt, il est préparé. Les dispositions sont prises Les dispositions sont prises. C'est un combat. Euh, j'entends beaucoup de réactions, non, euh, est-ce qu'on a les moyens Je dis moi, les instructions que j'ai reçues, il y a trop, trop, trop le Sénégal, on aime bien trop les statu quo. Depuis 1960, notre système scolaire ne bouge pas. L'école n'a pas changé. Et la volonté des familles, la volonté des élèves, la volonté de tous les citoyens, c'est de changer cette école-là. Et je ne veux pas de statu quo, je bouge, je veux faire bouger et je préfère corriger en marchant plutôt que de maintenir donc le statu quo. L'anglais entrera dans le système, inshallah. On mettra les moyens et les ressources pour que l'entrée rentre, que les langues nationales entrent dans le système, que l'intelligence artificielle, le numérique entre dans le système. La réforme aura lieu, Inch'Allah nous nous battons tous. Maintenant, tous ceux-là qui sont réfractaires et qui ont peur du changement, ben, on les laissera derrière. Mais le Sénégal a besoin d'une nouvelle école et cette école-là va porter le développement donc, de ce pays.